C'est une bonne opération le def parce que faut tenir un essai Dal jam du champion sortant kon bravo ASC Cap cité le périphérique moi, Cap. qui a tenu un essai le double champion le double champion sortant. Il faut venir à manco Manco contre Djubo Manco, c'est le vice champion. le Manco, ses supporters ont ont boycotté. le match parce qu'ils ont resté dehors. très bien parce que li le loolu il est fait à daaw. Mhm. dans final euh, zonal entre Manco et euh, Dal dans le final bi li waral loolu cadets yi 15 minutes lañ joué entre le Zimenga et Zimenga et Zang Mbao 15 minutes lañ joué problème am fi entre les amis et les supporters de l'ASC Manko ñoom ñu mel nag nee nañ zone joxu leen cër moo tax ñu boycotté ñëw nañ bëri nañ si euh, ñëw nañ ba buntu stade indi ay plaque ah indi ay tableau lépp lañ indi wane na ñoom da am la ñuy ndakka dañu dox ñaxtu mais duñ dagg bi yeeg

sentiro Asigo seetaanoon nawetaan. voilà l'ASC Manco, leurs supporters ont supporté mais en dehors du stade les meilleurs supporters de la zone c'est Manco. voilà ils ont supporté mais en dehors du stade ak lu mën di xew meilleurs supporters de l'ASC Manko. Manco. Mhm. Nous, boycottons, feeñ na te day feeñ ba si code paru ASC e yi.

Deuxième période, extension égalisée par le penalty. Eh, avec l'expulsion du gardien. tey kon affaire penalty moo fi am tey. Mhm. kon CNP 2019 2020 zone premier tour premier journée nous continuer lundi euh, jàppal ne ki nga commenté, ne moom mooy joué kell xale euh,

jàppoo ak laay c'est le programme de euh, lundi c'est le programme de lundi mu nekk bu de la zone 14 <coughs> de la zone 14. excuse-moi trois matchs euh, lundi à 15h Ndiolum Kel euh, fera face à Khalil 17h Renaissance contre Gassou et enfin 19h Diapo contre AIC Zangbao.